Opinion libre. Opinion libre. Opinion libre. La voix du peuple. Partout, askan wi. pas Pape Je jërëjëf euh, ma Opinion libre TV nuyu ñi lay. Euh, euh, déglu ñi lay seetaan saa su ben en fait coupure bi ni ma koy dundé moy danaka niko wa wal fadjir yëpp di dundé ni koy téléspectateurs yi également di ko dundee euh, mooy un sentiment d'injustice euh, ba nga xamné dañ nek diko ko ci Walf depuis un certain moment. euh dee yenen coupure yi fi amone ay 2021 ak février bi passé sénégalais yi ak ñun ñi sax mën nañ ko nangu parce que ci autorité Euh, CNRA la jógee ñoom it ñu jébal ñu ay këyit xamal nañu ni que coupé nañ ko euh, mënoon nañ ko nangu nu mu metti métti mais bii li ci yéeme mooy que dañ ko coupé ba pare toog juróom-ñetti fan amuñu benn interlocuteur bi nga xam ne ñëw na taxaw fii Walfadjri xamal ñu ni que moom moo ko coupé euh, ci bujjantal gën a ñuy soog a gis ni que c'est le ministre de la communication Moussa Bocar Thiam yebal fi ndaw ne moom moo ko coupé mu am nag ñaari mbir yi nga xam ne moo ci doy waar parce que je dafa basé l'article 94 du code de la presse pour couper ko article 94 boobu Ben Yon, ci eh, ci coupure autorisation la autorisation euh, pour les éditeurs mooy benn L'article bi euh, ñaari nga wax ci code de la presse tu ci le retrait signal wala coupure signal wala suspension Moi, les articles 192 193 ben yon tudd ci une compétence dévolue au ministre compétence yi ngi ko jox préfet sous préfet gouverneur ak ki nga xam moy mooy donc moo tax ñu jàpp ne que coupure bi lolo tax mu metti parce que dañ ko tek ci li nga xam légalul. Euh bu weesoo nak euh nous avons comme d'habitude euh, fait face continuer di sunu suñu euh parce que ñom lañu comprendre moy buñu couper signalu télé bi les sénégalais am nañu feneen fa nga xam ñu ngi koy sétane té danaka li gënon rafet rek li gënon rafet moy ñu wal fajeri moy def euh bañ ko bund xatal baña a ay personnelam baña menacer ay personnelam baña di traquer ay personnelam lool dal moy jangat bi nga xamne mom lañu gis ci coupure signal bi quoi. waaw man dama ko wax fi dès le premier jour bi mbir mi you dañu tok ci plateau fi mané euh suma amone limay décider fi ci fajeri man damay top Wave euh, ba paré nak wax sénégalais yépp nañu désabonné wu ci Wave bon euh, mais ci mujjantal gi euh, ba ñu ba euh, wax ji évoluer bañu xamal ñu ne nguur gi à travers le même ministre de la communication Moussa Bokar Thiam mo leen jox injonction ñu couper compte Walfadjri bi fondation Walfadjri bi couper également suspendre également don yoyu ba tay dama japp ne que Wave euh, qui est une multinationale parce que nous avons nañ jógee ñëw Euh, dama que service juridique bi nga sur la base d'une injonction du ministre de la communication Nous avons a moi et moi ils ont un agrément de la BCAO. xanaa dama que ni peut-être ministère euh, des finances saisir BCEAO la mes services m'ont fait savoir que il y a des soupçons de blanchiment de capitaux à travers cette levée de fonds-là. Donc, les Malènes moi, pour le moment, vous ces opérations-là, le temps nous tire au clair. Mais le fait que nous, légèrement accepté, accepté que c'est le ministre de la Communication, moi, injonction. Donc, moi, je trouve que l'UEV a fait preuve de responsabilité. Quel que soit notre euh, aménager et tout, ils ont fait preuve d'irresponsabilité. Parce que, as dit euh, la nga la Walf di peut-être cet élan de solidarité là nous qui se mettent un peu à la place de Walf Ici, si tous les Sénégalais s'étaient désengagés de WEF. Moi, que WEF, tey au moins la moitié de leur personnel est au chômage technique donc nous war nañ ko en compte Boudé légalement l'État du Sénégal les a instruits dans ce sens il n'y a aucun problème mais bu ça vient d'une autorité qui n'a pas les compétences requises Wave na xoolaat sa situation na xoolaat sa position Moi lan nañu fexe ba Walfadjri jot la nga xam ne moom la ko sénégalais yi jox suñ ko mënul nag Walfadjri n'a qu'à tirer toutes les voies de conséquence mooy madame, Top Wave et puis comme je l'ai dit tantôt sénégalais également jël seen responsabilité xam ne Wave à n'importe quel moment mën nañu capables capable def capable de jël les données des sénégalais joxe ko. waaw mais malheureusement malheureusement qui euh, pas Matar euh, ci presse bi on a on a un problème il faut le dire il faut même pas se voiler la face Moi, que euh, le may faral di don, wax bañ fi téye Pape Alé ba taxaw di la qualité de journaliste à Pape Alé dama les politiques ont réussi à à à à intégrés, bon pas intégrés, euh, ont réussi à, à, à, à s'immiscer un peu à l'intérieur des journalistes. Moi, que ils ont réussi, ben mur, faire que nous menons taxaw nan journaliste bi journaliste nguur gi la journaliste bi journaliste euh, opposition bi lolu politiciens ils l'ont réussi donc mon taxone boo les soutiens yi nga xam mom lañ doon ci presse bi euh, il va être très difficile Nous sommes ko euh, on est une chaîne euh, de l'opposition bon ñu également ñu dans la mesure où nous avons chaîne du pouvoir mais nous, on accepte le fait qu'on a toujours été une chaîne libre une télévision libre même si je reconnais aux autres également leur liberté mais je ne parle même pas du signal mais c'est au moment de l'arrestation de Pape au moment de l'arrestation de Choro euh, Mahomandela, Mandela c'est en ce moment que j'ai senti le plus euh, l'absence de soutien de la presse Walfadiri c'est un groupe mais ce groupe est constitué de personnes ces personnes là man dama Yodan Mandela donc même si le groupe a des problèmes, problème mais le personnel du groupe je crois que nous avons un traitement bi nga avons ne problème que toute la presse se mobilise derrière eux moi c'est là où j'ai un problème Je mais euh, pas Matar xam nga ni mbirum nervi amul valeur informative ci jamono yi ñu parce que depuis mars 2021 lañ leen ont a gis cest à ils étaient présents sur ci terrain politique Ils ont nañ mais mars 2021 nañuy soog gis ay nervi taxaw ci wetu tak der yoré jassi yoré yat yoré chaîne du dóor et sénégalais c'est-à-dire di exercer des violences sur des sénégalais devant les forces de l'ordre yi nga xamné dañ ci mando ca jamono yoyu ca jamono yooyu bi mu amé mu amoon ci un traitement bi nga xamné peut-être que euh, dama japp ni que buñ ko traité won à sa juste valeur li xew ni du xew mais à l'époque les gens ont, avaient préféré écouter les propos des ministres Antoine Félix Diom mais de wax euh, force occulte euh, Aminata Aïssata euh, Tall Sall dañuy wax waxu terrorisme ak ñeneen ak ñeneen ci gouvernement bi Dougal dugal ci bopp sénégalais wala bëgg dugal ci sénégalais que ñooñu Ce c'était pas des nervis mais des forces occultes et consorts je crois que nag ñàkk sérieux bi ñu traité affaire boobu moo tax nag bi mu manifestations, manifestation ñu eu une recrudescence avec une violence inouïe Nous avons eu des moom la mais cette fois-ci mu am un cas particulier par par Matar Nous avons leen des armes à feu des pistolets automatiques Nous avons ñu des fusils automatiques. mais ci ban ci ban ci ban ci ban moment moment ba nga xam ñi ngi jéem a fi Sénégal ni que un ministère qui s'appelle le ministère de l'environnement faut commandé pour 45 milliards de nos francs et armes yi nga le droit droit contracter ce marché Nous avons boobu ak léegi di xol arme yoy fan la nek gissaguñu armes yoy ci moment bobu ci période bobu nañu giss ay yore armes donc on a des raisons de s'interroger justement sur la provenance de ces armes là yamuñu ci yore armes mais ñi giss len ñu armes yi encore ci wetu tak der yi résultat des courses manifestation yi ba muy geex ñu les nit ak juróom officiellement ñoo ci ñàkk seen bakkan amna ci si ne déedéet ñaar fuk ñet ñoo ci ñàkk seen bakkan benen source le New York Times bi nga xam yoré na néna juroom certificat de décès yi nga dañ médecins ont dañu certifié ne que les yi dé bal mo len ray ñu ne ñoom ñaar fuk nit ak juroom benn ñoo ci bakkan toujours est-il entre 16 23 et 26 des personnes ont été tuées par, avec usage, par usage d'armes à feu. Mais ba mais li ci ministère de l'intérieur a def une conférence de presse da di dit que ñi nga image wane ni que ay ñoo sénégalais te ñom bokku ñu Beaucoup sont ci gendarmerie mais à partir de ce moment les sénégalais ont commencé à se poser la question mais dama jàpp ne que si on ñun traité wuñu ko mooy na pas ko ci un 2021 on n'a pas eu euh, l'esprit de traiter ça très profondément on ko traité superficiellement Bien, ci le gouvernement a fait son travail il fi mu a sapé ñi mu wara sapé titel ñi mu wara titel ba paré nak def li ñuy def mais malheureusement c'était compte c'était sans compter avec les réseaux sociaux c'était sans compter avec la presse étrangère cette presse étrangère là mo mujjé génné nak la nga xamné mom la état du Sénégal bëggoon présenter moy manam ñi ay nervi ñii doon yore gànnaay yi duñu ay tak der mais ci manifestants yi nañ bok mais man euh, pas Matar ci manifestation yi ñi wax tay ji ni ben alkaati nañ ñu si moo ci ñàkk bakkanam te fële sa Ziguinchor auto police mo jaar ci kawam gisuñu ben yon, ben alkaté wala ben gendarme bu ñu dañ ko tirer balu fital donc mo lay war ne que tay ji ces armes là ñako yoron moy mooy nervi yi nga xamné mom le ministre Seydou Gueye di jéem a leeral c'est des jeunes volontaires qui ont décidé de venir protéger wa mais man c'est ça qui me fait peur quand un ministre de la République quand un ministre de la République peut tenir, sortir de telles énormités dans sa bouche, dans une république organisée comme le Sénégal, où on dit que seules les forces étatiques, police et gendarmerie, ñoom rek la may exercer la violence légitime pour assurer euh, le le le maintien et le rétablissement de l'ordre mais quand un ministre vient nous dire nous sénégalais que nous sommes nous ñu gisoon ci mbedd bi ñu yore ay gànnaay alors que nous ñoo njëkk nangu ni que ñooñu Beaucoup ci ñoom quand le ministère de l'intérieur le dit c'est le pouvoir qui le dit quand le pouvoir le dit c'est l'appel qui le dit Ils sont beaucoup beaucoup ci après dès que nous sommes sénégalais nous ci ñun mais nous dañ c'est des gens qui sont venus spontanément pour appeler APR pour appeler Benno Bokk pour défendre la République mais est-ce qu'au Sénégal on a besoin de nervis pour défendre la République moi c'est la question c'est-à-dire que quand on en arrive à ce genre de questionnement, moi que notre République est à terre. Et je dis que tu es ministre, mais Seydou Gueye, je crois qu'on doit leur retirer la parole. Parce que nous, nous respectons notre République, respectons nous, qui est le président Macky Sall, mais respectons nous, nous Sénégalais. Parce que nous avons une police, nous avons une gendarmerie, nous avons des qui yi nga xamné mo gën mo gën ci Afrique bolé lenti yi nga xamné japp que en Afrique et un peu partout dans le monde cette police et cette gendarmerie sont sont cités en exemple Même ce ministre là mon a taxaw décidé que la police et ak gendarmerie nous assurer la pérennité de la république. C'est extrêmement grave pas ma pas ah. C'est extrêmement grave moi c'est ça qui me fait peur donc ce genre de ministre pour moi, <coughs> le président a un intérêt à les mettre de côté. Parce que ni, n'arrangent même pas le président de la République. Ils sont en train d'enfoncer le président de la République en reconnaissant que nous avons recruté énervé. Voilà. Mais une précision de taille, pas Maguette, pas plutôt. Mais, si vous 2011-2012, 2011 particulièrement, il y avait eu des violences. ont attaqué de Farbangom ay on n'avait jamais parlé de force occulte on n'avait jamais parlé de force de terroriste mais pourtant nous avons vandalisé notre cœur farbangom mais ce sont les mêmes Sénégalais qui manifestent aujourd'hui ce sont les mêmes Sénégalais c'est-à-dire si on peut les considérer comme des terroristes rien dit moi que en 2011 ñi leen une instrumentalité. à l'époque, nous étaient des recruteurs de terroristes parce que nous avons les sénégalais yi manifester 2011 Nous fi li ñuy def de très bons sénégalais bon teint bon genre 2023 même sénégalais même sénégalais manifestent, nous sommes non terroristes et et forces occultes mais quand ñi leen en 2023 opinion libre. Opinion libre. Opinion libre. La voix du peuple. Partout, askan